sunu doxu ñaxtu du lenn lu muy euh, jëmale mbir bi ci ñu bàyyi xeesal xeesal dana indi mbooloom jàngoro yu dangereux yi xew léegi ci jamono dina indi hypertension artérielle dina indi jabet dina indi cancer dina indi gaal dina indi yëpp xeesal baaxul xeesal baaxul ci yaram képp ku ci duggoon ñi ngi fexe pour nga génn képp ku ci jotoon a dugg ñi ngi fexe nan nga ciy génne ku ci jotul woon dugg it ñi ngay ñaan yàlla nga fexe noo ci génne c'est une pratique qui n'est pas sans conséquences, bien évidemment cette pratique est responsable de plusieurs problèmes de santé au niveau de la peau et même au-delà de la peau au niveau systémique c'est-à-dire tout ce qui touche le sang. Maintenant ce qui concerne la dépigmentation plusieurs produits sont utilisés pour se dépigmenter et ces produits sont essentiellement des dermocorticoïdes d'activité très forte que nous, nous utilisons pour des indications médicales assez précises, donc les femmes l'utilisent pour se dépigmenter. Quel que soit ces produits, chacun d'eux peut entraîner des complications au niveau de la peau, mais également au niveau systémique. Donc si nous prenons les dermocorticoïdes, donc ces dermocorticoïdes appliqués sur la peau entraînent ce qu'on appelle une immunodépression locale. Et qui dit immunodépression parle d'infection. C'est-à-dire les femmes qui ont tendance à utiliser ces produits seront susceptibles à développer certaines dermatoses infectieuses, parmi lesquelles nous avons les infections bactériennes. Hein, des infections bactériennes, il y a aussi les mycoses hein, qui sont plus connues. Mais également, il y a des infections parasitaires comme la gale. La gale qui, normalement, se voit plus fréquemment chez l'enfant. Mais nous, en consultation, nous recevons des femmes qui se dépigmentent, qui présentent cette dermatose et c'est généralement assez profuse. Donc, ça constitue un problème.